Nous, xaar leen rek voilà ñu bàyyi leen si on peut commencer alaikum, donc man may docteur Béroba Guissé le mandataire du président El Hadj Malick la coalition Gakou 2024 ñu ngi sant yalla gannaaw bi ñu duggee fii ba génn euh, nekkoon ci cinquante troisième position de position bu xaw sori donc tay man nañu wax né validé nañ région yëpp loo xam war nañ ko compléter lo xamné mi ngi tourner autour de 3400... mille quatre cent parrain war nañ ko euh pour am le minimum alors euh, li ñu validé nag toll na ci 40700 et quelques parrains aujourd'hui mi ngi sant yàlla doublon yi mi ngi topp on a zéro doublon alors donc euh, on a dix-huit mille yoo xam ne bu ñu ko joxee trois mille rek lañ jël donc joxe dix-huit pour am trois mille donc loolu mooy situation donc ñu ngi sant ñëpp alors je suis le docteur Bérouba Guissé je suis le mandataire du président Elage Mali Gakou. alors j'ai été sorti euh, serein de cette étape de parrainage où nous avons pu valider 40 700 parrains. Et la position de 53e, je pense que c'est un exploit. Maintenant, il nous reste à compléter 3 euh, 3000 et quelques, 3400 et quelques sur les 18 000 doublons externes que nous avons. Nous avons zéro interne. Donc, nous avons bien et nous remercions l'ensemble des responsables des militants qui ont signora che la ti Donde a sono rendezvous.